même là les ñun journaliste yi ngay gis ñu xoñoñal ay journaliste do do gis da ngay gis ay journaliste yi di def di publier ay article pour enfoncer les journalistes. pour enfoncer ko gis nañu fi le cas récemment de Walfadjiri ñun journalistes yi organisé organiser point de presse ci buntu Walfadjiri ñun ñëpp di plaider ba policiers yi gazé ñu Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh dem dem dem dem dem dem dem dem kër Macky Sall xamal lan lañu koy yekkal laal naan bi saabam ba biiram sedd jaxase presse bi ak président Macky Sall ba taxaw ñëw ne way Massi Macky yëgu ko dañ ko tooñ donc presse presse bi doon plaider yëpp di tirer si Macky Sall moom da muy toog di défendre Macky Sall tu vois. mais Alpha ñu ne Ngagne Demba Touré. tey tey tey euh, ñu ne wóorul exactement loolu tamit na ko daal di analyser. Ngagne Demba réew mi la. il est un citoyen sénégalais. mais est-ce que teelul ñëw. il est un citoyen sénégalais. est-ce que sincérité bu président Mané ne ngay wax sa télé a ñëw warul woon gàddaay xanaa booboo citoyen Sénégal. Ah, nu muy gàddaayee. <laughs> yàgg nga ne si waru woon dem. Eh, voilà balaa ngay ne dafa teel a ñëw warul woon gaday. daa waroon toog. mais doomu réew mi. Toussaint Manga ñu koy soog a bàyyi avant boobu ba tey. nous réew mi nu Pour koy Si pour lan. six mois Toussaint Manga pour lan. pourquoi les jeunes de ce pays les jeunes citoyens de ce pays doivent s'exiler. Au nom de quoi Pour des soubassements politiques. Pour des querelles politiques. Parce que d'abord, il faut que nous diapo. Au nom de quoi Nous nous quoi Ahmed Suzanne Kamara, là, la fi wahul, bi. Le, le père, le père Diahate, Moussafa Diahate, là, la fi wahul, timimre. Bougazeli, là, la fi deful, le fan. Mamadou Massali Boutiès, tout récemment Japonais nañ ko gagné le pistolet le a ci les dernières manifestations récentes lan la fi waxul lan est-ce que Japonais le? est-ce que Japonais il est wax ma à toi de me répondre pourquoi le jeune Gandem Demba dit des choses dans une scène politique Nous war ko au nom de quoi pourquoi war nañ ko Tu ci mois? mais enfin est-ce que c'est possible d'entendre entendre Ngagne parce que lui greffier hein? fini conseiller en bouclier fa nga xam ne itam mooy tribunal c'est possible wala c'est pas possible dañ ko war a bàyyi. Hmm. man loolu laa gëm. Hmm. dañoo war a Demba Touré mu hmm. c'est un acteur politique. les paroles les propos politiques sont des propos politiques ça reste sur la chaîne politique. c'est ça la réalité. Nous ñi déjà partis. en 2011 Nous lañu fait fekk amul luñ fi waxul ci Moustapha yor na xeer jubale jubale assemblée nationale bu mu bu ma amul bu féké dama di ni pourtant cette vidéo là est, partout hein, dans les réseaux sociaux sur YouTube boko tapé légui et sa grosse pierre ñu la ko pierre xeer xeer la la ñom ñi di manifester dem nañu ci les grilles du palais ñom avons de est-ce que Abla tej est-ce que Abla jël na entreprise terroriste teg ko ci est-ce que def nako ku dem ba ci grilles palais yow ñu am possibilité tegal la lu ne am possibilité la wax tegal la lu terrorisme lan lan lan ablad amoon sa sañ-sañ tegal la lu né parce que da nga dem ci les grilles du palais di manifester ñu tegal mën nañu ablad defu ko parce que dafa japp ni c'est des jeunes politiques politique moo tax ñuy def il faut avoir c'est-à-dire que da ngay nek gentleman ci politique. nit bu waxee politique da nga koy répondre politiquement. Hmm. mais do ko répondre ça. merci beaucoup. la prison c'est l'exception mais au Sénégal c'est comme si <laughs> la prison prison comme adresse l'égalité euh, la liberté c'est l'exception mais tant qu'on politiquement ñoom dañuy prison mais la voilà l'a répondre Mais euh, la liberté règle bi prison moi. mais mais aujourd'hui c'est la liberté qui est l'exception Merci beaucoup, Arfan. La prison, c'est aujourd'hui hmm. la règle. Alors, alors Moi, euh, ah. C'est un jeune qui engagé politiquement. Il faut qu'on accepte quoi. Hmm. Quand il dit des choses, il l'a dit politiquement. Hmm. Il l'a dit politiquement. Alors, Parce que pour répondre des politiques comme nous, moi, moi quoi. Merci beaucoup, Arfan. Quand Basir Diomaye Faye met un poste, Okay. sur sa page Facebook. Hmm. c'est des propos politiques. pour leur répondre nous. parce que nous chaque jour ñu bind Twitter lu ñagas. Mm. merci beaucoup lu ñagas. Bon ba pare ñu ngi dund en leur liberté loolu ils ont scindé le pays en deux alors ceux qui sont pour Macky Sall et ceux qui sont contre Macky Sall alors que ñun Sénégal mënuñu mësuñu dund ci loolu. alors merci beaucoup Arfan c'est aussi normal. c'est mm-hmm. que la parole c'est normal aussi. Ah. quand on voit des gens qui ne savent pas quand est-ce que le Conseil constitutionnel a été créé. on voit que le pays, a été, le pays est à l'image de ces dirigeants-là. Abdoumbo qui ne sait même pas quand est-ce qu'on a créé le conseil constitutionnel. il a fallu que Maïman Andour fasse rectifier. Quoi. Yo en tant que chef groupe parlementaire président groupe parlementaire Benno Bokk et vice-président de l'Assemblée nationale quand est-ce qu'on a créé le conseil constitutionnel? il a participé à la loi promulguée le 16 juillet 2016 par Macky Sall. Mm. créer la loi. Mm. il a utilisé le mot créer pour créer le conseil constitutionnel alors le conseil constitutionnel a été créé dans une loi organique de 1992 par Abdou Diouf. Abdou Diouf m'a créé le conseil constitutionnel là. Comment Abdou Mbo peut rester dire oui, euh, man j'ai participé en tant que parlementaire que la loi organise de 2016 vous créez, vous créez. Comment on a créé On a créé le conseil constitutionnel depuis 2016. on a nommé l'actuelle équipe de 700 du, le, le, en 2016 l'année nommé nommé c'est pas créé voilà. Hmm. si on voit des gens comme ça les Abdoumbaoula. <laughs> on se demande comment lan lañu mëna am lu alors merci beaucoup Alpha ñu lay bu baax baax encore une fois alors donc chers téléspectateurs li mu nekkoon seen émission li nga xamné comme dit le truc de matinale euh, de ce jeudi justement 22 février 2024 marquant avec moi la fin de la semaine vous allez retrouver demain inchallah qui ki nga xamné ne que moo di Ami Senghor ak li nga xamné que moo la à la présentation merci beaucoup Alpha ñu lay jaajëfal bu baax baax ba nga daal téléspectateurs alors Seigneur bi euh, sëñ mm. Fallou maa mm. lay encore ça a été toujours euh, euh, le même plaisir de partager le plateau de Talk Matinal avec avec toi aussi les Sénégalais on nous donne si suivre ci plateau bi ñu mon frère Benk maa lay Cheikh Omar Diédiou ah, donc euh, Fatou Sène ah, ñoom ñëpp euh, isa Diop Samba Nya ah, donc euh, Baraj sar ex ainsi de suite ainsi de suite. Mm. Siri Sène Diène. Mm. donc ñu koy jaajëfal ñu ngi jaajëfal ñoom ñëpp donc di len rendez-vous ci benen numéro. Mm. tolku Matinal inshallah alors. Euh, donc aussi euh, une information peut-être euh, Boboté, la les témoignages des détenus politiques dañ def plateau spécial est prévu ce samedi à partir